Bonsoir. Euh, nous venons d'apprendre le verdict au niveau de la Cour suprême. Je pense que sur le volet juridique, il n'y a pas grand-chose à dire parce que nos excellents avocats ont déjà fait le nécessaire. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce procès, ou en tout cas ces euh, différentes audiences, sont éminemment politiques, rien d'autre. Moi, je considère que c'est une honte aujourd'hui qu'on essaie d'éliminer un candidat de l'opposition, le favori de l'élection, avec différents procès avec l'histoire de suite Beauté. La justice nous a donné raison au moment où le Conseil constitutionnel est en train de travailler sur la validation des candidatures, il nous sort de manière expresse l'affaire Prodac. Personne ne doute, je dis bien personne, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international, ne doute du volet politique de ces différents procès parce que tout simplement, l'objectif est d'éliminer le président Ousmane Sonko qui est le candidat favori de l'élection présidentielle de 2024. La preuve, il a été condamné pour trois mois. Ils se sont rendus compte que trois mois, deux mois du moins, euh, avec sursis ne pouvait pas l'éliminer. Et comme par hasard, ils ont tout fait pour fouler du pied le droit en euh, refusant d'attendre même euh, le délai, en tout cas, de recours dont jouissait le président Ousmane Sonko pour essayer d'accélérer la procédure et obtenir une condamnation éliminatoire. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est pourquoi ils ont procédé euh, euh, à un appel pour obtenir l'exception. et aujourd'hui, euh, en cassation, nous avons vu en tout cas un verdict pas courageux. C'est comme ça que je peux l'appeler. Parce que l'exception d'inconstitutionnalité, normalement, devait être respectée. Et la Cour suprême devait renvoyer au niveau du Conseil constitutionnel qui pouvait apprécier. Mais le président Ousmane Sonko reste dans la course c'est ce qui est important, reste candidat. Sa candidature sera examinée demain. D'abord les parrainages. Ensuite, le Conseil constitutionnel va rentrer dans le fond parce qu'en plus des neuf pièces qui sont fournies, ils peuvent aussi, en fonction de tous les documents dont les avocats ont mis, le mandataire a mis sur la table, apprécier si sa candidature sera recevable ou pas. Et nous, nous restons convaincus que sa candidature sera recevable. Euh, bu ñu koy tënk ci wolof dañu naan li am solo euh, verdict bi fi am tey jàpp nañ ne du verdict boo xamante ne en tout cas bi defar image du Sénégal Dans ndax ci Sénégal àdduna bi yëpp a ngi xool gis ne candidat bi nga xam ne président Ousmane Sonko chef de l'opposition nekk candidat bi nga xamante ne ni tey ñëpp jàpp nañ ne mooy favori ci élection yi ba ñoom ñemewuñu ko affronter ci élection yi malgré li ñu am yëpp nee nañ ci bilan ci moyen ak yu ñu bëgg def lépp ngir éliminer ko ñëpp gis nañ ne depuis trois ans ñi ngi rey seen bopp ci processus Sweet Beauté ca cëppaa ndaw ga amuñu ci dëgg amuñu ci la ñu bëggoon ñi dem suuliwaat dossier boo xam ne bu ne ci àdduna bi am na candidat bu ñu éliminer ne diffamation ne diffamation ndax li mu wax dafa leer sénégalais yi ko ko wax waaye ak ci jaay doole ci la ñu ñëwee indil ñu dèjà ñaari Mame Mbaye Niang d'abord Mame Mbaye ministre ak Mame Mbaye Niang bu dul ministre ci benn dossier vice de procédure yu dul jeex ngeen gis ne tamit euh, ñoom procureur gaaw nañu déposer appel te délai de délai Sonko am pour déposer recours am mi 30 jours sax matagul woon yooyu yëpp c'était pour djema gawtu am ben condamnation bu ko meuna éliminer ndax ginnaaw bi ñu ko daanee deux mois ñi xamné 2 mois mënu ko téré bok li ñu gis moy dañu gawtu djema am ben euh ci loo xamné ne dañ ne woon dafa bëgg rag deram yaakaar naa ne loolu doyoon na bu dee ragg der waaye bi yoon li ñu gis moy à chaque fois état dina ci dugg avec les mêmes avocats des mêmes dossiers juste pour obtenir ben condamnation mais ñu japp né loolu yëpp dañu sonal sen bop ndax conseil constitutionnel tey ginnaaw neuf pièces yi nga xam ne dinañ ko joxe ñu saytu ko dañu saytu aussi ci aussi ci fond bi te euh, dossier bu beton la ñu teg ci seen boo xam ne bu ñu ko xoolee dinañ xam ne kii moom dossier bi war a nekk candidat la te gëm nañ ne dinañ nangu candidature

dañu amoon meilleur parrainage kii bi ñu lancé ba Bassirou Diomaye Faye sénégalais yëpp daw wut si parrainé ñu ñu am parenage bu mucc ay vérifié ko naka lañu mën a considérer ñu ne ñu douze mille plus de douze mille nekk ñu ci fichier bi noonu lañ ko waxalee Mary Teuw Niane noonu lañ ko waxalee Cheikh Bamba Dièye ainsi de suite amna ci luma mat candidat yo xamné ne li wax ci fichier bi ño yor carte électeur ont di ñu ont ci fichier bi ont lan lay élection mais c'est vicié euh, d'avance c'est-à-dire que ak parce que li am solo ba am solo moy fichier bu lèr nañ nit ki yor carte électeur mu numéro carte électeur di sénégalais mësoon a sax voté ñu ñëw ñu ne la ah kii kat nekkul ci carte électeur bi ñuy wax conseil constitutionnel nekkul ci fichier bi conseil constitutionnel dañ koy wax na xoolaat bu baax li ko daaf jox te mu revoiraat fichier am woowaat candidat yooyu ngir mën a saytuwaat loolu parce que lu doy waar la te candidat yi duñ ko bàyyi candidat yëpp dinañu dajaloo dinañu attaqué La décision est pêle-mêle des candidats. Il faut vérifier que ce n'est pas normal. Il faut que les cartes électriques et les cartes d'anté disponibles soient disponibles. C'est ce que les veux dire. Si vous voulez savoir combien de personnes ont fait, si vous voulez 12 000 sont cultivés. Il y a 6 000 doublons. Si vous voulez remplacer 6 000 doublons, il y 4 000 euros bu avez 6 000 doublons vous la 3 000 yi ci fichier bi donc yow da ngay dem Nous xam nañu liñ si un waaye duñu ko bàyyi mu donc dañuy conseil constitutionnel encore une fois na dem un fichier bi te un fichier bi li ci nekk depuis le régime ça fait 12 ans coowal fichier bi jógu fi kenn un xam lu nekk ci fichier bi kenn mënul xam ban fichier la ñuy appliqué c'est comme si dañuy baye bu Basir waré ñew ñu génne benen fichier bu bu bu bu euh, Marita waré ñew ñu génne benen fichier wala xeyna ñu rocc ay nit kenn xamul lu xew parce que mënu ñu comprendre ñu am seen ay carte électeur pare ne ba paré ñu ne leen ñii kat nekkuñu ci fichier euh, euh, ki bi électoral bi donc dañuy wo mbollem candidat yi nga xamné euh léese nañ leen ci bor boobu ñu dajalo daal xex ngir ñu rétablir leen nous ñu des leen fichier bu baax ñu mën comparer seen ay parrainage parce que nous kenn xalaatul ne war nañu mën a am parrainage dañuy wax ne jàll nañ d'office asuma ñi nga xam parrainage leen doon en français sur le parrainage. sur le parrainage euh, euh, nous sommes en train de constater des faits inédits. Hmm. Euh, le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme d'autres candidats euh, ont été au niveau du Conseil constitutionnel pour faire valider leur parrainage et à leur grande surprise, on leur a notifié des milliers de parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral. Ce qui est incompréhensible. Parce que tout le monde sait que PASTEF n'a pas un problème de parrainage. Aujourd'hui, s'ils nous demandent 58 000, on ramène 58 000 dès demain. ils nous demandent le double, on le ramène dès demain n'est pas ça le problème. Le problème est que les parrainages qui ont été collectés avec des cartes électeurs en bonne et due forme et qui ne se retrouvent pas dans le fichier, il faut aller chercher ce qui est en train d'être fait sur le fichier électoral du Sénégal. Quand on cumule les parrains, qui n'existent pas dans le fichier, entre Cheikh Bamba Djei, Marie Babakar Diop, euh, Bassirou entre autres, on est à plus de 81 000. 81 000 parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, nous demandons au Conseil constitutionnel de revoir son fichier ou ses fichiers avec l'ADAF pour produire le fichier le plus actuel et le plus correct, rappeler tous ces candidats-là et leurs mandataires pour en tout cas euh, euh, revoir le processus et peut-être réexaminer leur dossier. Parce qu'aujourd'hui, nous devons fournir 4234 parrains pour compléter, avec 6000 doublons, 6609. Qu'est-ce qui nous dit que si on dépose les 6609 dès demain, ils ne vont pas nous revenir avec 4000 parrains qui n'existent pas dans le fichier C'est comme si il y a quelqu'un qui est derrière, qui retire des noms, en fonction du candidat qui vient, entre autres. Personne ne comprend ce qui se passe dans le fichier et nous interpellons le Conseil constitutionnel pour faire le nécessaire. Nous demandons à tous les candidats qui sont impactés par cette injustice de se liguer, de se battre pour que justice euh, soit rétablie, pour qu'il soit en tout cas, euh, euh, que leur dossier soit réexaminé afin qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle. Donc voilà ce que nous aimerions dire sur ce dossier-là. Nous vous remercions. Merci. Alors, euh,